6h30 à Dakar et en temps universel. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de débarrer votre journée avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Votre matinale quinqueliba vous retrouve, troisième numéro de la semaine. En plateau, vous retrouverez Ibou. Avec lui, nous parlons sociétal. Et pour cette nouvelle saison de la matinale Quinqueliba, Binta Charles nous rejoint pour la chronique consacrée au droit. Mais Alex, un invité en plateau également, et ce jusqu'à 8h. Dans un petit moment, Ralune Badarakan vous présentera le profil de notre troisième numéro de cette semaine de reprise. Et puis, vous le savez, vos commentaires et réactions, nous les attendons sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Profitez donc de ces 90 minutes également pour souhaiter un excellent début de journée à toutes les personnes qui vous sont chères. Le sommaire ne serait pas complet sans nos capsules habituelles, celles du coach Tandaras et la gym. Vous le retrouverez dans un petit moment pour les exercices du jour. Avant la gym, les prévisions locales, bulletin météo bien sûr. Et avant 7h30, le bulletin d'info de notre matinale Quinquilibre. Bah, le sommaire est tout à fait complet. Maintenant, je voudrais encore une fois souhaiter un excellent début de journée aux lève-tôt qui nous choisissent un tout petit peu partout dans le monde. Voici pour vous, pour accompagner votre réveil. A tout de suite. Bonjour à tous, euh, mesdames et messieurs. Notre troisième capsule euh, de retour du ramadan, mais euh, auparavant, eh bien, du carême chrétien. Encore une fois, j'espère que vous avez en tout cas rechargé un tout petit peu les batteries dans tous les cas, eh bien ça semble certainement venir et donc euh, de la manière la plus progressive, petit à petit, pour ne pas escamoter en tout cas, et eh bien le processus et surtout au niveau des muscles et articulations. Alors aujourd'hui, avec ce travail de renforcement, et nous aurons la plateforme, mais avec euh, surtout et eh bien, les, fessiers d'abord, vous avez les issues jambiers euh, ça va descendre vers les jumeaux, les soleillères et tout cela. évidemment, vous allez voir toujours dans la gym personnalisée avec le coach. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, c'est vraiment un excellent renforcement musculaire. Il faudra suivre jusqu'au bout et essayer de prendre beaucoup de notes. Alors cela dit, la parole, c'est à vous. Bonjour mesdames et messieurs, encore nous revoici en plein temps dans notre semaine de reprise. C'est mercredi, on va vous maintenant entrer dans notre séance complètement dite comme on est euh, comment on, est, on a bien repris plutôt nos séances. Et aujourd'hui, on va vous proposer le renforcement des jambes, notamment coach l'a cité, les jambiers, les fessiers, en même temps les quadriceps. Vous savez bien, on va les faire avec l'exercice qui s'appelle la fente. Donc, vous savez, on va vous proposer différents types de fentes que vous pouvez faire, vous qui avez du petit matériel chez vous, vous qui ne l'avez pas, il y aura toujours une option pour vous pour pouvoir faire cet exercice et de pouvoir musculer votre bas du corps et commencer à avoir beaucoup plus de force, de résistance, de tonification et de bien dessiner en même temps vos jambes. On se donne tout de suite dans les démonstrations. Alors, le renforcement des membres inférieurs, euh, mesdames et messieurs. Alors, voyez, euh, tout à l'heure, c'était la pente euh, bulgare. Alors, ça se poursuit toujours, cette pente bulgare mais avec euh, évidemment eh bien, le matos, les petites haltères avec le coach bout. c'est donc la gym personnalisée avec lui. Et progressivement, mesdames et messieurs, on va y aller jusqu'à avoir eh bien, la forme optimale de retour et du ramadan et auparavant eh bien, du carême. Allez, je vous le disais, mesdames et messieurs, le renforcement alors là, il va falloir faire des moments assez justes, assez corrects pour éviter. Là, on va trouver euh, la plateforme en changeant d'engin au niveau des bras. Alors regardez ici, évidemment, on va chercher aussi le bon retour veineux, puisque là, c'est également important et très important. Et renforcement spécifiquement le bas du corps. Donc, vous savez bien, vous l'avez bien senti. C'était juste notre proposition d'aujourd'hui pour, pour entrer pleinement dans notre semaine et de pouvoir en même temps continuer nos programmes d'entraînement sur notre chaîne télévision nationale. Merci à vous et à demain, Inch'Allah. Voilà, merci, merci, coach Bou. C'est fini, terminus, tout le monde descend. J'ai l'habitude de dire, mesdames et messieurs, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, eh bien, ça a été magnifiquement bien fait. C'est vrai que le coach Bou, un véritable professionnel, euh, et vous avez su euh, certainement apprécier à sa juste valeur, eh bien, cet exercice euh, avec les différents points que j'ai cités tout à l'heure. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une excellente journée, mais le rendez-vous demain, Inch'Allah, et nous serons justement là-bas euh, sur le plateau de la RTS. Alors, le plateau, je vous salue tous, euh, invités, mais aussi les euh, chroniqueurs, mais également, eh bien, au niveau de la présentation, en amont, tout le monde. Et sur ce, je vous souhaite bon après-midi, à demain. On ne change pas les bonnes habitudes sur la matinale. Demain jeudi, le coach Tandaras sera en plateau avec nous. J'accueille maintenant l'équipe de ce mercredi. Ils me rejoignent maintenant. Ibou, Alioun, notre invité et Binta Charles. Venez, installez-vous. On partage le Kéliba tout en échangeant et en discutant avec euh, nos téléspectateurs. Allez, viens ma chère Binta et installe-toi. Comment allez-vous ce matin Super suis bien. Très heureuse de vous retrouver. Viens Binta. <laughs> Le nouveau visage que l'on retrouve sur la matinale, la une bien évidemment, euh, mais pour nos téléspectateurs de la 2 et pour ceux qui ont regardé d'ailleurs Tandarma, c'est un visage qui vous est familier. C'est ça, <laughs> tout à fait. Ibou, comment vas-tu Super bien. Dewenetti, mon cher. Fait que Dewen est euh, plein de succès pour nos projets et que ceux qui sont là remercient encore la grâce divine. On a eu à passer un bon carême, on a eu à passer un bon ramadan on a eu à passer une belle démocratie. Et donc finalement Finalement, Dieu existe et que nous-mêmes, d'abord, la première ressource sur Terre, c'est l'être humain. Ici au Sénégal, on se dit Sénégalais à gauche et à droite, mais le dénominateur commun, c'est parce que nous nous aimons, nous nous apprécions. Il y aura des fortes tensions, il y aura de douces tensions, même si c'est un oxymore, mais c'est la preuve qu'en fait, que qu'est-ce qui est plus important que d'être ensemble tu sais, j'ai une belle image pour illustrer tout ça. On est à bord du même bateau. Oui. Le Sunugal. Oui. Et malgré les vagues, finalement, on est ensemble. J'ai trouvé le link avec ah, notre invité de ce matin, M. Bonjour. <laughs> On peut trouver mieux. Alors, ah, pour euh, introduire notre, euh, invité, de ce hein. matin. Voilà, qui va nous parler de Sunu Gay, notre maire. Tout simplement. <laughs> voilà. simplement. C'est M. Sisoho, qui est doctorat en droit maritime et surtout euh, secrétaire général donc, de l'association Art euh, Sunu Yité, hein, C'est un engagement mhm. voilà, pour une pêche plus durable, hein, plus équitable et donc, on reviendra sur euh, voilà, bien sûr, les, ces objectifs-là, sur comment vous euh, comptez les, atteindre, sur les premiers actes qui ont été posés, sur aussi les intentions, bon, peut-être, euh, voilà, du nouveau gouvernement, de tout faire pour que, voilà, notre secteur de la pêche soit beaucoup plus inclusif, que le secteur artisanal également puisse totalement tirer son épingle du, jeu, que l'on puisse revoir aussi, pourquoi pas, voilà, ces fameux accords de pêche hein, mm. avec, voilà, ces grands ensembles que sont l'Union européenne et ces grands pays asiatiques comme la, Chine ou le, Japon. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges hein, avec euh, notre invité, M. Sissoko, un expert véritablement voilà, de la question maritime. C'est une question maritime. Oui, parce qu'il y en a plusieurs finalement. Je suis, d'accord avec toi. Des questions maritimes. Nissi Soro. bonjour. Comment allez-vous Bonjour Sarah, bonjour M. Khan, bonjour et vous. Bonjour Binta. Ravi d'être parmi vous et j'en profite pour aussi saluer l'ensemble de nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, parce que je sais que vous êtes aussi très suivis par la diaspora. Je voudrais profiter de votre présence sur euh, notre plateau pour saluer le sergent recruteur qui nous l'a emmené. Tu <laughs> sais qui c'est, Alune <laughs> Devine qui c'est. C'est une grande dame de ce pays. Parmi euh, les plus grandes stylistes que le pays nous ait donné, l'une des doyennes. Emma style Non en remontant encore plus loin. Euh, euh, euh Ah, ah bravo Hibou. Ah euh, bravo Hibou. Et elle nous regarde régulièrement. Elle regarde cette émission, donc ah. c'est pour nous l'occasion tout simplement de lui souhaiter une excellente journée. Une grande dame. Hein. Ravie, parce qu'elle a fait pas mal d'actions, beaucoup plutôt d'actions sociales. Quand je me rends compte que l'hôpital Luxembourg, je pense, de, de, de, de Rufusque, d'autres activités, et même par pudeur, parce que ma famille est également la zoïe Sidi Hajimali du Centre Plateau, jusqu'au centenaire, jusqu'à la gueule Je peux faire une longue liste de dons, d'appui, de soutien qu'elle a eu à faire. Et vraiment, que longue vie et beaucoup de santé. Pour elle ce matin, toutes ces prières-là, Merci encore une fois, tata, maman. Je crois que les deux mots peuvent évidemment aller pour la qualifier encore une fois. Merci de la générosité aussi. Et puis, vous le savez, je le rappelle encore une fois, tout au long de cette émission. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux ou en direct sur la Une, vous pouvez nous écrire, commenter le magazine, interroger nos chroniqueurs et notre invité également. Les sujets de ce matin en avance, je, prive un peu Binta Charles de, de parole. Hein. Disons que c'est une façon de. Comment on dit ça C'est du bisutage, c'est ça. C'est notre bisutage, c'est ça. Chacun y a un tout petit peu droit d'une certaine façon. Euh, mais, mais, je rappelle que la chronique qu'elle anime pour nous, c'est Mais Alex, on va parler de droit avec elle. Évidemment, beaucoup de sujets d'actualité concernent aussi les questions juridiques. Mais avant, on va s'intéresser tout simplement à la première visite euh, à l'extérieur du chef de l'État, le président Bassirou djahar Diomaye Il se rend en Mauritanie aujourd'hui même. Toute une symbolique quand on sait qu'avec la Mauritanie, eh bien, on a des liens, j'allais dire importants, parce que nous partageons désormais, et vous le savez, les ressources pétrolières et gazières. Et au-delà, bien avant, il y a aussi des liens historiques. à l'UNELA, là peut-être pour nous les rappeler. Au-delà de ces liens historiques, il y a aussi des liens maritimes, j'ai envie de dire parce que la Mauritanie et le Sénégal, c'est la pêche également, c'est des accords de pêche. Euh, finalement, pour, pour, la mer, il y a peut-être une frontière, mais on ne la voit pas. Mhm. Et donc, nos pêcheurs, généralement, vont de l'autre côté également. Voilà des questions, probablement, qui seront au menu des échanges entre le président du Sénégal et celui, euh, son homologue, finalement, de, de la Mauritanie aujourd'hui. Messieurs, commentaires. Symbolique, ce déplacement euh, Un symbole très fort, dans la mesure où la Mauritanie, au-delà de la langue, j'ai eu l'impression qu'on a eu moins à explorer euh, ces liens. Vous savez, quand, quand, on parle de la Mauritanie, quand on parle de la Corité, on revient tout de suite dans le monde Khad de Cher Sadbo. Et donc, du coup, chaque année, il y a des milliers de pèlerins qui y vont. Ça, c'est un aspect. Mais sauf que c'est occulté par la partie commerciale, halieutique. Mais d'un autre côté, on oublie que c'est une longue histoire aussi en Mauritanie. Le bateau de la Méduse se trouve en Mauritanie en tenant compte d'autres paramètres. Euh, est-ce que la frontière entre Rosbecho et, la Mauritanie, quelle est la partie qui est sénégalaise Les peuples vivent ensemble en oubliant même que ce paramètre administratif existe. Mm. Donc cette première visite, au-delà du gaz, au-delà des produits halieutiques, il y a d'autres paramètres. Il faut les renforcer. Mm. Mieux les renforcer. Aussi, ils ont besoin de notre expertise. Est-ce que nos universités travaillent beaucoup plus Est-ce que nos écoles s'échangent Est-ce que ces paramètres-là sont apposés il faudrait aussi faire le bilan du passé douloureux. Il faudrait qu'un instant, qu'il y ait un comité pour faire un dédommagement ou en tout cas de faire une évaluation de ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. En tenant compte que l'histoire se répète toujours, anticipons, renforçons pour éviter des drames plus tard. Ibou, j'ai envie euh, finalement à l'une euh, de te donner la parole juste après l'intervention euh, d'Ibou parce qu'il a parlé d'histoire, et c'est important, il a parlé de passé douloureux également. C'est vrai que quand on parle de Mauritanie, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé il y a une quarantaine d'années. Euh, oui, on va dire euh, voilà, une trentaine euh, en 89. De, souvenirs. 89 ah, Oui, trentaine, hein, un peu, bientôt. Oui, trentaine. trentaine. des souvenirs douloureux pour les deux peuples. Hein. Mhm. Je pense que des souvenirs douloureux pour les deux peuples, mais ils ont su faire quand même preuve de grandeur et de dépassement. Et aujourd'hui, je pense que c'est tombé même dans les oubliettes. Euh, les deux chefs euh, d'État, entre les deux pays depuis lors ont repris des activités diplomatiques de son nom, avec le Sénégal qui a son ambassade bien sûr à Nouakchott, de même que également, mhm. la Mauritanie qui tient son mhm. ambassade ici à, Dakar. C'est normal, hein mhm. ils sont obligés d'avoir de des de, de rapports de bon voisinage, parce qu'il y a tellement de choses qui nous lisent, à fois sur le plan culturel, sur le plan religieux, et même aujourd'hui sur le plan économique, avec, euh, tu l'as rappelé, donc l'exportation prochaine du gaz et du, et du, et du, pétrole. Je crois que les deux pays ont été extrêmement intelligents dans la gestion de ces ressources-là. Tout à fait. Euh, transfrontalière, euh, parce que d'autres États auraient pu peut-être voilà, se, crêper les chignons sur voilà, qui a la primauté sur telle ou telle ressource. Euh, alors que là, ce serait des procès à n'en plus finir. Mhm. Mais le Sénégal et la Mauritanie aujourd'hui devraient être érigés en, modèle parce qu'ils ont su, quand même, dans une démarche euh, harmonieuse, intelligente, voilà, euh, trouver des accords, un accord consensuel sur le partage donc, de ces, ressources-là mhm. en offshore, extrêmement difficile, vrai. très compliqué. C'est ça. surtout que voilà, cela ne connaît pas de, frontières. Hein. On est en pleine mer. Voilà, tu peux avoir <laughs> peut-être voilà, le le puits principal du côté sénégalais, mais que ça ruisselle plus du côté mauritanien. Alors comment faire maintenant pour que tout le monde puisse avoir sa, part donc, dans, dans, ces ressources-là Les deux États ont été vraiment extrêmement intelligents. Et donc, je, je, salue cette démarche du président nouvellement élu du Sénégal, mm. euh, qui a choisi un pays de la sous-région et pas n'importe lequel. Euh, mm. parce que, comme l'a dit, on parle peut-être un peu de l'aspect maritime, mais euh, en, aval, vers le fleuve, hein, il est de, de, Bakel, les populations aura royalement ces frontières tout artificielles tout sont fait, donc, coloniales. donc je crois qu'elles sont elles, aussi très soulagées de voir euh, qu'il y ait autant euh, de bonnes relations aujourd'hui entre le Sénégal et, la, mm-hmm. Mauritanie. Et mm-hmm. vraiment, je me félicite de, ce premier déplacement officiel du président de la République du Sénégal mm-hmm. dans un pays frère, dans un pays donc de la sous-région, dans un pays frontalier qu'est la Mauritanie. Surtout que le président mauritanien, actuellement, il faut le souligner, et le président exercice l'Union africaine. est symbole. fort. Et, j'allais juste dire qu'il y a une nouvelle dénomination au ministère des Affaires étrangères. Maintenant, on dit ministère des euh, Affaires étrangères et de l'unité africaine. C'est un signe également que on veut aller vers ça, on veut aller vers l'intégration africaine. Et donc c'est tout un symbole, encore une fois, comme je disais, euh, ce déplacement. Ouais. qu'il qui a des parents de l'autre côté aussi. Hein. Ah il faut rappeler, de l'autre côté aussi. fut un moment où Saint-Louis, une ville du Sénégal, était à la fois, était, avait le, donc, euh, était à la fois capitale du Sénégal et de la, et de Mauritanie. Et donc ça c'est rare dans les annales de l'histoire. C'est des liens historiques, comme je disais, hein, qui datent de de, très longtemps. Euh, je vous laisse réagir sur le sujet Séni Sissoko. Oui, merci Sarah. Effectivement, nous pouvons dire que le Sénégal et la Mauritanie sont unis par des liens quasi indéfectibles. Mm-hmm. Et aujourd'hui, la visite du président Diomaye Faye revêt un caractère particulier. Au-delà de l'aspect social, il y a l'aspect économique qu'il faut prendre en compte, notamment, comme ils l'ont si bien dit, la préservation des ressources halieutiques, la délimitation des frontières maritimes mm-hmm. et surtout et surtout l'exploitation de GTA, Grande Tortue Ainem mhm. qui aujourd'hui a cette capacité, mhm. n'est-ce pas, de produire du gaz en suffisance. Mhm. Euh, la réserve est estimée à à peu près 3 trillions de mètres cubes, donc ça veut dire que c'est presque intarissable. Nous avons tous intérêt, d'un commun accord, euh, de, euh, de tenir des, un langage qui va pouvoir nous unir afin d'enterrer de, l'usufruit. C'est ça. Et que chacun puisse en profiter, vous avez dit, presque intarissable. C'est une bonne nouvelle, ça, à hein. ah, très euh, bonne nouvelle pour Gourgourlou, qui hein. attend impatiemment la production du premier, baril, premier baril, pour euh, envisager une augmentation de salaire. Hein. Et de nouveaux prêts. Euh, et de nouveaux prêts. Voilà, rallonge de prêts. Rallonge de prêts. toujours une soupe. voilà. Ma chère Binta Charles, bienvenue sur le plateau de, la matinale et merci de rejoindre l'équipe Kinkeliba pour cette nouvelle saison. merci à vous. Hein. Bien le bonjour à vous tous. Alors, c'est avec plaisir et honneur que je rejoins cette euh, belle euh, équipe. Hein. une aventure qui démarre aujourd'hui et j'espère, non, je sais qu'elle sera très belle ensemble avec nos chers amis téléspectateurs. Ah oui, surtout qu'il y a <laughs> Ibou qui va t'accompagner les mercredis. Voilà, Il a toujours les mots qu'il faut, pour bien démarrer une journée. Tu mhm. verras. Alors, euh, justement, réaction sur euh, cette visite du président Bassirou du Diomaye euh, prévue donc aujourd'hui en Mauritanie. Alors, vous l'avez dit, visite symbolique à plus d'un titre puisque quand l'on voit un peu l'histoire entre ces deux pays, les frontières restent artificielles, comme on l'a dit. Mhm. Donc, euh, par exemple, nos, nos, parents du mm. Wallo, vous y allez, vous y allez euh, à Dagana, vous allez vous rendre compte que mm. euh, vous pouvez vous asseoir et voilà, regarder le pays juste à côté. Les gens mm. vont et viennent. Donc finalement, ce ne sont pas deux pays différents. Ça reste quand même un seul peuple. Et cette visite est d'autant plus importante puisqu'aujourd'hui, au moment où en Afrique, on voit des tiraillements, il y a des départs au sein de la CDAO, etc. Donc c'est une manière on va dire, euh, pour le nouveau euh, président de marquer le pas, dire qu'il faudrait forcément qu'en Afrique, que cette unité africaine, en tout cas, euh, demeure une réalité. Dans un moment, je reviens sur les sujets que vous aborderez dans vos chroniques, mais puisqu'on parle de présidence, j'ai promis à nos téléspectateurs hier que nous reviendrons sur le sujet concernant la suspension de la vente aux enchères de la bibliothèque du président Léopold Sédar Senghor. Alors évidemment, il y a eu tout un tollé, et ça se comprend autour de la question mon cher Alune disait que nous étions hier dans, l'émotion. Il fallait également savoir raison garder parce qu'il y a plusieurs lectures à faire euh, dans, dans cette affaire. Ce qu'on retient, c'est que pour le moment, cette vente a été suspendue. L'État du Sénégal a pris les devants pour négocier et essayer de racheter ce patrimoine-là pour qu'il reste tout simplement euh, dans le commun et ne devienne pas un bien privé ou des biens privés. Mm. Parce qu'on parle de plusieurs ouvrages, on parle de plusieurs livres, on parle également des choses assez personnelles et affectives on a dit que, par exemple, on retrouverait des ouvrages dédicacés d'Aimé Césaire, de ses amis proches, de grands intellectuels, et qu'il était important pour nous, jeunes Sénégalais, de pouvoir consulter et continuer à lire euh, ces, ouvrages-là. Hibou, réaction Oui, c'est... La faute nous incombe d'abord. Il me semble que quand on a un patrimoine de cette dimension ou un chef d'État qui peut même avoir eu des notes qui concernent l'État, il me semble que la meilleure démarche, qu'il y ait un comité, si ce comité n'existe pas, ou en tout cas qu'il fasse le travail, la cartographie de tout ce qui est susceptible d'être patrimoine. Et si on essaie de voir dans les artifices juridiques, dans les services onusiens, il me semble que le patrimoine immatériel est protégé. Mhm. Et logiquement, on ne peut pas commercialiser ces aspects-là. Donc, euh, activons les leviers dans une cohérence d'abord chez nous. S'il y a un comité, ce comité puisse faire un comité, euh, une communication nationale pour que les cœurs soient plus apaisés. Parce que je ne sais pas chez les autres, mais certains avec qui j'ai échangé sur le sujet et moi personnellement, je me suis senti violenté. Qu'en fait, quand on parle de Senghor, que son patrimoine puisse être commercialisé de manière banale. Mm. Euh, ça me permet de revenir sur beaucoup de choses. On peut parler de patrimoine. Rapidement, sur une digression. Mm. C'est comme le Dakar. Le Paris-Dakar, rien qu'on nous dise Dakar, on ne peut plus accepter que le Dakar se fasse dans d'autres pays, alors que c'est notre patrimoine, c'est notre mhm. identité. Donc, pour revenir sur le patrimoine du président poète Senghor, mais l'ensemble de ses œuvres nous appartiennent. N'oublions pas, euh, M. Senghor, M. Diouf Abdel, euh, Abdou, M. Wad Abdelai, M. Salmaki, mais leur patrimoine, hein. ces comités-là dont je parle devraient travailler avec les familles proches pour distinguer ce qui est totalement privé. Et que par défaut, si on les entretient ben, pas, pas comme matériellement. Excuse-moi, Ibou, ce qui est privé et ce qui pourrait, en quelque sorte, revenir à l'État du Sénégal ou, rester dans, dans, comment je vais dire, rester des biens communs finalement. C'est à la famille. Et comme ça, on fait la part des choses pour Le éviter ce genre travaille avec la famille pour distinguer ce qui est privé ou pas. Ce qu'on peut léguer à ses descendants, par exemple, on, le, laisse de, on laisse de faire le leg pour le peuple sénégalais. C'est ça, c'est ça, Après, tout à fait. mais s'il n'y a pas ce travail de fond, méticuleux, mm. qui demandera du temps, mm. on se retrouvera toujours que demain, ah, on avait fait une note sur ça. Et on va courir derrière, comme c'est des commerciaux, c'est des marchands, ils savent vendre. Ils vont nous tendre euh, euh, euh, la petite carotte, on court derrière et on est toujours perdant. On se pose, un comité, une cartographie du patrimoine. J'avais juste une petite question avant de laisser les autres réagir très rapidement. Quand on hérite, là par exemple, on est dans le corps, on est en France, il y a aussi des impôts à payer justement sur, sur ces biens-là ce qui pousse certains à vouloir parfois les vendre ou les revendre, c'est ça Oui, mais c'est limité par rapport à un ratio. On ne peut pas, par exemple, un immeuble d'une valeur de 50 millions d'euros, donner ça en don. L'État français ne supporte pas. Hmm. Il y a une part, un ratio qui reste pour l'État. C'est éviter euh, les contournements, les évasions fiscales, etc. Ça. Très bien. À l'une, Bon, je pense que, bon, moi, écoutez, comme tout, beaucoup de Sénégalais, beaucoup de mes compatriotes, j'ai été un peu choqué. Non pas par le fait de voir une partie donc, du patrimoine du président Senghor être mise aux enchères, mais le fait de voir que cette, euh, ce patrimoine-là soit voilà, entre les mains de, de la gouvernante, mhm. de la sœur défunte, de l'épouse mhm. du président Senghor, à qui la faute. Mhm. Je me dis que euh, cela devrait interpeller nos nos dirigeants, ceux qui sont encore en vie quand même, de penser à la postérité et de voir comment léguer une partie de leur patrimoine au Sénégal qui leur a tout donné aussi. Mm. Ça, il faut mm. le dire. Donc l'idée d'Ibou, elle, est bonne. travailler avec les familles pour faire la part des choses. On n'a même pas à travailler avec les familles. Je pense que ça, c'est également aux mm. anciens dirigeants, aux dirigeants, de penser à cela également. Prendre les dispositions. prendre les dispositions euh, par rapport à leur testament sur qu'est-ce qu'ils devraient léguer au Sénégal, qu'est-ce qu'ils mm. devraient léguer à leur famille, parce qu'ils ne s'appartiennent plus. Ils mm. s'appartiennent, ils mm. appartiennent au Sénégal. Et le Sénégal leur a tout donné. Je pense qu'on ne peut pas avoir meilleur euh, honneur voilà, plus grand honneur que celui-là, de mhm. président de la République. Et pas de n'importe quel pays, comme le Sénégal. Je ne verse pas dans le chauvinisme <laughs> quand vous avez l'avantage, quand vous avez l'honneur d'être président de la République du Sénégal, pensez à la postérité, pensez mhm. à votre pays et léguez une partie de votre patrimoine quand même à ce pays-là. Je pense mhm. qu'à ce niveau-là, nos dirigeants sont interpellés parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps également à, faire essayer euh, vente aux enchères pour racheter une partie de leur, patrimoine. D'autant plus que ce patrimoine-là, une partie leur a été cédée au moment où ils étaient en exercice. Mmh. Quelque part, du point de vue du droit, je ne vais pas entrer dans les détails. Peut-être mmh. qu'il y a des dispositions euh, qui, s'ils étaient, étaient euh, activés, mmh. auraient pu permettre au Sénégal de récupérer quand même une partie de ce patrimoine-là. Euh, Binta. Alors, vous l'avez dit. Binta Charles. Binta Charles, <laughs> voilà. Binta Charles, j'aime bien. Binta Charles. On va rajouter le Charles. Je tiens beaucoup à mon Charles. Hein. Mm. Très bien. Alors, euh, ah, le choc hein, a été brutal. En tout cas, la nouvelle a été euh, accueillie, mais voilà. Quand on parle du chef de l'État, Léopold Sédar Senghor. Au-delà de ce symbole-là, le premier chef de l'État du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, c'était l'un des acteurs clés, on le rappelle, de cette indépendance-là au Sénégal, oui, mais en Afrique. Euh, au-delà également, Léopold Sédar Senghor, un, écrivain, un savant. On a vu un peu mm-hmm. euh, tout ce qu'il a eu à faire dans le monde de, de la littérature nègre, on va dire. Lui, avec ses amis, euh, de la trempe de Aimé Césaire et autres. Mhm. Donc aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que, euh, que, les biens de, cet homme-là, surtout président de la République du Sénégal, puissent être légués à d'autres personnes qui, malheureusement, euh, peut-être ne, vont pas donner la valeur mhm. à ces, à ces, à biens-là. Parce que ce n'est pas le même lien affectif, ce n'est pas le même attachement aussi. Et, récemment, on mm. parle de, de, du fait de retourner ou de récupérer en tout cas mm-hmm. les biens appartenant à l'Afrique Hein, il y a mhm. quelques mois de cela, on, voilà, on s'activait euh, là-dessus. Donc aujourd'hui, si on s'est battu pour que le sabre, par exemple, euh, de, l'âge Oumar, etc., qu'on puisse le, euh, la récupérer. Alors pourquoi pas euh, le patrimoine du Grand Senghor Oui, et, ce n'est pas la première fois. Je pense que l'État du Sénégal avait déjà racheté des, objets, je crois que c'était des bijoux du, président saint Senghor, également. Et là, on parle plutôt d'œuvres littéraires, toute une bibliothèque. Je crois que la posture de l'État du Sénégal est, à saluer également dans, dans cette affaire, n'est-ce pas Oui, je pense que ce n'est pas la moindre des démarches. Mais là où je voudrais plutôt accentuer mon sentiment, c'est sur le fait que le président Léopold Sédar Senghor nous a laissé un patrimoine qui, est non négligeable. Mhm. Une chose est sûre, mhm. le problème qui se pose actuellement ne se serait pas posé si, à l'image de feu Amadé Ali mhm. n'est-ce pas, il avait pris les devants pour léguer son patrimoine n'est-ce pas, archivique euh, à l'État du Sénégal. Ça. Bon, les choses étant comme elles sont, il faut consommer. Il faut faire quelque Je pense qu'il faut faire preuve de diplomatie. Diplomatie en quoi Voir comment aujourd'hui, si privatisation il y a, comment nous devrions le privatiser au niveau national. Parce que le combat le, euh, euh, ultime, c'est de sécuriser, n'est-ce pas, ce patrimoine. C'est ça. Nous, sommes à l'ère de la dématérialisation, de la digitalisation. Pourquoi avec la gestion électronique des données, pourquoi ne pas aujourd'hui archiver cela de manière numérique, de telle sorte que les élèves, la jeunesse aujourd'hui, actuelle et future, puissent en bénéficier, n'est-ce pas, et tirer connaissance, n'est-ce pas, de ce que le président Léopold Sédar Senghor a laissé comme héritage. Mm. Donc c'est un, héritage à préserver, n'est-ce pas, et je pense qu'aujourd'hui, euh, pour que les jeunes puissent l'approprier, nous avons les moyens logistiques pour cela. Voilà des pistes de solutions. Il faut pour préciser que le doyen Amadou Matarbo a légué beaucoup de ses œuvres à l'université de Matambor. Absolument, absolument. on a suivi cela. Tout à fait, tout à fait. Euh, université qui porte d'ailleurs son... de son vivant. Merci beaucoup, <laughs> mon cher, mon Comme ça n'a pas été fait, on essaye de, se rattraper dans tous les cas et de, et de racheter finalement cette bibliothèque et ses ouvrages. Mm. On avance sur le conducteur. Les sujets qui vont être abordés dans nos différentes chroniques du jour. Dans la deuxième partie, la chronique Mais Alex avec Binta De quoi on parle ce matin alors, l'on va parler de manière générale, en fait, euh, la rubrique Mais Alex, connaître ma loi. Il s'agira de revenir sur euh, le lexique juridique. On le sait, le droit à son jargon qui lui est propre, avec lequel il faudrait bien sûr se familiariser pour pouvoir comprendre les décisions euh, de, justice, par mm. exemple. Il s'agira également de revenir sur les grandes lignes, ou en tout cas euh, de, revenir sur l'ensemble des règles qui mm. régissent le droit, que l'on soit dans le euh, droit pénal, euh, civil, etc. Donc ensemble, nous allons revenir sur mm. ça. Alors aujourd'hui en particulier, l'on va s'arrêter au début, l'on va s'arrêter sur la règle de droit. Qu'est-ce que simplement. Tu mmh. un bon consultant, hein. la personne d'Ibou sur le plateau. On a fait un bon casting, je pense, hein, pour les mercredis. Mon cher Ibou, ce matin, on parle de quoi dans ta chronique L'âge limite des véhicules au Sénégal, l'importation. On parlera d'écologie, euh, toute la trame vers l'environnement et surtout les besoins. Si je posais la question, euh, est-ce qu'une charrette, une charrette et une voiture, qui est la plus rapide la voiture, bien sûr. <laughs> Voilà. Non, la voiture. Donc, vous voyez que si je me déplace de Goudiri jusqu'à Didi en voiture à 1h36 minutes, mm. parce que maintenant les routes sont excellentes, mm. qu'est-ce que combien je ferai en temps en charrette Donc, si on m'interdit d'avoir un véhicule mm. pour d'autres raisons, pour des motifs euh, écologiques, pour des motifs environnementaux, est-ce que c'est ma vie qui prime ou bien ces règles Et que ces pays-là qui les proposent, maintenant, en partant, il y avait Kyoto, il y a, pris, euh, non, plutôt le sommet de de Janeiro en 92, mhm. ensuite il y a eu Kyoto, et maintenant on nous parle des COP. Et tout cela, l'écologie, l'environnement, oui, mhm. mais nous ne devons pas être au même niveau mhm. que la France ou l'Allemagne, qui va interdire sous peu, ou peut-être 2035, tout ce qui est moteur thermique, parce qu'il y a les voitures électriques. C'est ça. Les voitures électriques, c'est tout autre chose. Hein. Ça. demande aussi des préalables pour pouvoir, euh, dans nos pays, par exemple, même s'il y a euh, des essais par-ci, par-là, euh, pour que tout le monde puisse y aller, il faut des préalables. Et on est bien loin de tout ça. Au Sénégal, 8 ans, l'âge limite pour un véhicule. Mmh. Il y avait des raisons, certainement en 2012. Mais se rappeler juste que c'était d'abord à 5 ans. Ensuite, le régime politique qui vient de passer, avait proposé, avait fait un engagement et l'avait validé pour faire l'âge limite à 8 ans. C'est pour des raisons écologiques notamment euh, euh, il y a toujours des motifs. Euh, L'Occident va toujours nous parler et ne cessera jamais de nous parler là actuellement tout ce qui est écologie, tout ce qui est environnement. Et là même, on le voit avec le pétrole et le gaz. C'est le seul point qu'ils nous, nous mettent en face. Oui, l'écologie et l'environnement. Et pourtant, au moment où ils en avaient accès comme ils voulaient, cette problématique ne s'est jamais posée. C'est ça. Il y a Exxon Valdez en 1972 déjà, mais nous n'étions pas concernés. Là, par contre, ce qu'il faut, à mon avis, c'est de revenir dans la problématique de cette limitation. Pourquoi Parce que nous le savons tous, nous tous nous le savons, si nous ne le vivons pas tous les jours. Qui sont nos parents qui se déplacent dans les régions Si je prends de quitter Touba pour aller euh, faire Taïf, faire Gerle, faire Sadio, faire Gassan, fertile pour faire jusqu'à Linger, jusqu'à Raneru, arriver jusqu'à Orosogi, dépasser pour aller jusqu'à Waoundé, revenir vers Bakel, vers, Koudiri, vers Tamba. Mais si je n'ai pas de véhicule, qu'est-ce que je fais Si je prends Yen, je quitte euh, Toubab je fais Kel, je fais Nyangal, je fais euh, euh, Yenikao, euh, euh, Yeniget, je fais Todd, je fais Ndoukhoura, je fais Djamnyadjo. Si je n'ai pas de véhicule, qu'est-ce que je fais Et on me dit que non, il faut que le véhicule ait moins de 8 ans. Mais vous voyez tous les métiers, toutes les valeurs qu'il y a autour d'un véhicule de 8 ans. Mm. N'est-il pas temps qu'on se pose pour dire que nous allons faire une commission pour faire une évaluation 2012 à ah là, ça fait 12 ans, une évaluation et par rapport à ça, on dépassera l'aspect factuel. On viendra même dans l'aspect scientifique et technique. Mais nous le savons tous, nous n'avons pas 20 euh, 000 euh, industries ici au Sénégal. Donc, on pollue moins de 20 000 fois par rapport à la Suisse. La Suisse ne produit pas de véhicules, mais dans la chaîne de valeur, la Suisse est souvent devant sur des composants nécessaires aux véhicules. La France produit des véhicules, mais la France n'interdit pas des véhicules de 8 ans de circuler. Et y a-t-il pas un paradoxe, Sarah Quand vous êtes à Yumble, que vous venez à Dakar et que vous avez 200 francs, vous prenez un véhicule de moins de 8 ans ou un véhicule de la moyenne de 40 ans. Mais vous prenez le véhicule de 40 ans et toute cette chaîne de valeur-là, les Ndiaganyai, les Tata, etc. Mais les véhicules peuvent rentrer au Sénégal, c'est l'utilité qui compte. Je me suis même mis, en m'inspirant du sommet de 92, le droit de polier, etc., une chose toute simple. Si on faisait la cartographie des zones les plus poliées au Sénégal, Dakar prendrait le leadership, hein, mhm. ça va sans dire. Mais Bakel serait moins impacté. Matam Podor serait moins impacté. Là-bas, à Djouloulou serait moins impacté. Et partons du principe tout simple vous pouvez importer des véhicules, mais on va vous faire la carte verte. Comment euh, Si vous amenez le véhicule, d'abord, le premier prérequis, c'est que le pays d'origine doit valider par un contrôle technique. Nous savons qu'ils sont plus normés que nous. Déjà, ça vient de là-bas. Nous, on était dans les charrettes, ils étaient déjà dans les locomotives. Soyez honnêtes, c'est ça la vérité. Et l'industrialisation des véhicules là-bas est, fortement développée. Ils ont des process très formatés et très matures. Le véhicule qui arrive, obligation d'avoir euh, euh, la carte visite validée. Arriver chez nous, c'est l'utilité maintenant. On va faire des taxes, des vignettes par rapport à l'utilité. Si le véhicule est d'ordre d'un transport en commun et que ce besoin-là existe, mais dans ce cas, ben, on va vous taxer moins. Mais si par contre c'est un véhicule personnel, de prestige, euh, juste des déplacements domicile-travail, là, on mettra une autre taxe. Je pose une dernière question, ensuite je laisse les uns et les autres euh, réagir très rapidement avant 7h15. Est-ce qu'on ne prend pas finalement un risque aussi quelque part en, en faisant cela, qu'on nous emmène tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est vieux, tout ce qui est pollué, tout ce qui est véhicule, je veux dire, et que finalement on se retrouve encore une fois comme avec les objets électroniques, avec du bon finalement. J'allais dire, même pour se gratter, il y a un risque. Je peux me blesser. <laughs> ça, c'est va sans de. Ça nous est déjà arrivé. Même pour manger, c'est plus courant de se mordre la langue. Mhm. Le risque zéro n'existe pas. Mhm. Je suis dans les systèmes d'information, le risque zéro n'existe pas. Mais ce risque-là, il y a d'abord les prérequis. Le véhicule, avant d'arriver au Sénégal, doit être assujetti à un contrôle technique local qui le valide. Est-ce que vous pensez que le contrôle technique en Suisse, S, Sénégal, S, c'est plus fiable là-bas que chez nous. Mais ils sont plus process que nous. Soyons honnêtes, c'est ça la réalité du terrain. Donc, du coup, le dire, il n'y a rien de, méprisant, mais c'est la réalité. Mais si mon véhicule quitte la Suisse pour venir ici, mais le contrôle technique d'abord. Si j'ai un contrôle technique valide, rien n'empêche que pour faire une ligne, une assiette fiscale, le véhicule arrive au Sénégal, on fera encore un contrôle technique local. Ça permet à l'État d'avoir un gain. Et ce véhicule-là, mis en circulation, comme je l'ai dit, si c'est pour la communauté, on taxe moins. Si c'est dans une zone rurale, on taxe moins parce qu'il y a moins de pollution dans la zone, etc. Voilà à peu près ce qu'on pose dans le débat public pour voir est-ce que les nouvelles autorités ne devraient pas s'interpeller sur l'enlèvement même de la limite d'âge et que ça soit assujetti par ces prérequis. Ça va peut-être agir aussi sur un tout petit peu les prix de vente de, finalement tous ces véhicules. Absolument, véhicules pour tous. Excessivement cher, n'est-ce pas, mon cher Alioune Je donnerai la <laughs> parole tout à l'heure. On se comprend, n'est-ce pas <laughs> Et puis il y a peut-être René qui nous regarde également, euh, éternellement en panne avec son, véhicule. Si les prix baissent, ça va peut-être arranger les uns et les autres. C'est Nissi Soho, votre réaction par rapport à la chronique de... Ce que vous vient de dire est, très pertinent. Euh, Effectivement, moi, je suis très légaliste. Les lois sont faites pour être respectées. Et surtout appliquées. Dès lors que l'État, c'est une continuité, dès lors qu'un président ou bien qu'une autorité décide de faire passer maintenant euh, euh, l'âge des véhicules hmm. euh, à 8 ans pour entrer au Sénégal, si c'est la condition sine qua non, on ne peut que s'y plier. Maintenant, il faut encadrer ces mesures. Et c'est très important. L'aspect écologique sur lequel je m'en vais me pencher, c'est celui-ci. Vous prenez l'exemple de Mexico. Euh, Mexico est réputé comme étant l'une des villes ou peut-être même la plus polluée au monde. Mais par contre, ils ont pris certaines dispositions pour amoindrir ce risque de pollution. Mhm. Qu'est-ce à dire Avec leurs poumons verts qu'ils ont créés en plein centre-ville, ça permet d'aspirer le gaz carbonique pour mhm. nous redonner, pour redonner de l'oxygène aux Mexicains, aux citadins. Nous avons adopté le même principe au Sénégal depuis Belle Lurette. Ça existe avec la forêt classée de Mbao. J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu qu'il y a eu des malversations foncières qui ont, ont mm. entamé, vous pouvez aller faire un tour, vous mm. allez voir qu'il y a des sentiers et autres, mm. n'est-ce pas Avec ce qui se passe du côté aussi de la la bande des Filao, mais c'est un désastre écologique. Les gens commencent à construire là-bas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'aide pas à sécuriser la ville en termes pour amoindrir la, pollution. Le risque est là. Il ne fait qu'augmenter. Mm-hmm. Quand je prends le pour moi, c'est pas un problème que des véhicules euh, euh, soit soient autorisés à circuler d'un certain âge. Mm. Aussi longtemps qu'ils remplissent les critères, c'est bon. Mais, comme il disait. Comme il disait, mais la régulation, elle est importante. Il faut réguler dans tout. Il faut de l'ordre. Au, Nigeria, ils ont réussi ce principe. à fait. Pourtant, euh, le Nigeria est beaucoup plus congestionné que le Sénégal, mm. mais l'alternative qu'ils ont trouvée, c'est de pouvoir avoir des véhicules qui circulent certains jours et d'autres qui, prennent les jours impairs. Donc, tout, pour moi, il n'y a pas de problème. On Il n'y a que des solutions et c'est organisable par les autorités idoines. Il me reste deux minutes. Mais bon, moi je dis dirais que, de contradictions. Quand vous allez dans nos, dans nos différentes gares routières, vous allez voir des, des cercueils roulants. Ah, ah, des véhicules qui ont 70 ans. Non, je pèse bien mes C'est vrai. 70 ans. Non, c'est vrai. Oui, il y a super là. Il y, a des, qui ont 70 ans. Des, des euh, qui, ont, peut-être 70 ah, ans. Les fameux 7 places mhm. hein, qui font la navette Thiès-Dakar. oui, tout à fait. À côté, vous dites, ben, j'interdis à un véhicule de moins de 10 ans de, mhm. fouler le, sol sénégalais, De rouler, sur, euh, de rouler au Sénégal. Mhm. Il y, a, une contradiction, d'autant plus quand même, il faut avoir le courage de le dire. Mm-hmm. Euh, l'état des, infrastructures routières en Europe, en tout cas dans les pays du Nord, mm-hmm. ça n'a rien à voir avec ce, que l'on a ici. Tout à fait d'accord aussi. Même si quand même des efforts ont, été faits. Mm-hmm. Un véhicule qui a 10 ans, 15 ans, euh, voilà, euh, qui quitte Paris, quand il euh, euh, arrive ici au Sénégal, mais mm. écoutez, il peut supporter la concurrence avec un véhicule 0 km du Sénégal. Tout à fait. Parce que, en fait, voilà, ils mm. remplissent les normes techniques et mm. tout cela. Le véhicule est bien, euh, bien, voilà, comment on appelle encore, voilà, prix, prix, comment on appelle Entretenu, maintenu, c'est la maintenance. La maintenance, est, bien assurée et tout cela. Mm-hmm. Je pense qu'il doit y avoir quand même plus de souplesse pour permettre à Gourgoulou de pouvoir faire le trajet Dakar-Bakel. Hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce, bon, cet âge-là, cet âge limite, il faudrait voilà, faire une rallonge. C'est ça pour la l'amener peut-être jusqu'à 10 ans mhm. et permettre à tout un chacun de pouvoir s'équiper en véhicule neuf et tout s'il le veut. Voire plus, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des 0 kilomètres, Ça, c'est très, très compliqué. Hein. Rares sont les personnes qui arrivent même à, à s'acheter ces Vous il, est, voilà. il, est, il est h 17 Arrivé au Sénégal. Très rapidement. Parce que la pêche On va comme on dit, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Alors, comme vous l'avez dit, euh, il est important de pouvoir revoir cette législation, mm. mais l'accompagner surtout euh, d'un contrôle c'est très important. Il faudrait qu'il y ait les mesures d'accompagnement euh, par rapport justement à la maintenance, le contrôle technique, etc. Tout Et voilà, mettre sur pied, euh, pourquoi pas, cette euh, nouvelle règle. On verra bien. Merci, mon cher. Et, là, pour terminer, terminer il y a 18 millions de voitures électriques en Occident entre 2020 mm. à ce jour. Mm. Donc, si on part sur cette courbe, dans 10 ans, on va se retrouver dans ces pays-là, très développés, très confortables, mm autour d'une trentaine de millions de véhicules. Que vont-ils faire de leurs véhicules thermiques nous avons une opportunité. Et les métiers qu'on créer ici et mm-hmm. aider la diaspora à vendre, parce que l'entrepreneuriat pourrait se faire. Et dans, et dans, on va dire, la passion, hein, ton, micro, tu l'as l'as finalement euh, déplacé, tout simplement. Tu, le remets, s'il te plaît Parfait, merci pour cette belle chronique ce matin. Hein, on enchaîne, on passe à la première partie de la rubrique invité. Là aussi, le sujet nous passionne et nous intéresse. On va parler de pêche, on va parler d'économie maritime, des questions finalement maritimes, juste après ceci. À ah, Et notre invité de ce numéro, c'est Séni Sissoko. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorant en droit maritime et secrétaire général de Ars Sunuité, un engagement que nous devons tous prendre finalement. Voilà, Ars Sunuité. Hein, je, je, je, un peu la traduction pour, mhm. souvent pour euh, notre public. Euh, euh, euh, panafricain hein. donc nos frères et sœurs donc, des autres pays qui regardent. Art, c'est protégé, en, Wolof. Hein. Mhm. Sous nous, c'est notre, notre mhm. patrimoine, à nous tous, donc la, mer. C'est un patrimoine qui nous est très cher, hein, parce que quand même, tout pays qui dispose d'une façade maritime fait tout quand même pour en tirer voilà, plus de dividendes. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas pour beaucoup de pays euh, africains parce qu'il y a souvent ces, fameux accords inégaux qui ne nous profitent pas du tout. Euh, par exemple, les fameux accords de pêche, il y a eu tellement de, de, marches, hein, de manifestations contre voilà, ces, fameuses licences de euh, pêche octroyées à des chalutiers euh, étrangers, on voit les conséquences aujourd'hui. Hein, une raréfaction des produits halieutiques, beaucoup d'acteurs du secteur euh, artisanal qui préfèrent même voilà, aller de l'autre côté, tenter leur, chance, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus gagner leur pain quotidien grâce à, donc, à, la pêche. Alors aujourd'hui, il y a l'arrivée d'un nouveau ministre hein, et surtout un, changement de, dénomination. Maintenant, on parle du ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et, portuaires. Euh, qu'est-ce que cela pourrait impacter euh, dans le secteur de la, pêche, euh, Monsieur Sissoko je vous remercie pour cette question. Mm. Donc, je vous rends la politesse, Monsieur Kahn. <laughs> Merci. Donc, effectivement, Ar sunu c'est mm. ça le nom. Mm. Euh, traduit littéralement, ça peut porter à euh, à confusion. Mhm. C'est pour ça que nous avons trouvé une traduction, euh, un, un, beaucoup plus parlant, qui est les ailes de la mer. Aujourd'hui, à la mer, nous voulons mhm. trouver de nouvelles pistes de solutions. Nous voulons aujourd'hui préserver l'économie bleue. Je dirais plus que nous sommes dans le sens euh, de la préservation de l'économie bleue, mhm. c'est-à-dire de toutes les richesses qui découlent de la mer, à savoir le pétrole, le gaz, les ressources halieutiques. Donc nous, œuvrons aujourd'hui pour une gestion durable et surtout responsable des produits halieutiques. Comment nous allons faire pour préserver ce stock halieutique Et cela, euh, il y a des politiques macro. On a vu pendant longtemps que ça ne réussit pas, pendant des décennies. Le, plus important et le plus impactant aujourd'hui, c'est de descendre sur le terrain. Euh, avec l'axe 3 de la décentralisation, la gestion de proximité, elle est incontournable. Et c'est l'humain qui est au cœur de tout. Il faut aller vers les acteurs, les principaux, ceux qui sont à la base, ceux qui connaissent réellement les problèmes. Et par là, euh, c'est une voie pour expliquer qu'il y a un groupe bien organisé euh, qu'on appelle le comité de pêche locale artisanale. Mhm. Si nous euh, arrivons à sécuriser ce patrimoine à, à travers le tri tri triptyque mhm. Dundel en français qu'on pourrait traduire par aujourd'hui, pêcher pour vivre, préserver la pêche et faire de, notre, la, euh, de la sécurisation, de la préservation de l'écosystème maritime mm. notre priorité. Mm. Ce triptyque, il est déterminant. Mm. Pour ce faire, il va falloir s'appuyer sur des leviers. Et c'est quoi ces leviers C'est d'abord renforcer la capacité des acteurs, mm-hmm. des acteurs les plus démunis, n'est-ce pas Donc il y a tout un collège mm-hmm. de pêcheurs qui comprend les marailleurs, les micro-marailleurs, ce sont en général les transformateurs des produits en produits semi-finis ou finis. Il y a les pêcheurs à la ligne. Il y a aussi les plongeurs, qui est une activité, même si l'État l'interdit, euh, qui persiste, qui perdure, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas offert à ces plongeurs, en guillemets, qu'on dit qu'ils font du braconnage, mm. une autre alternative. Mm. Mm. Donc, euh, pour camper le décor, ça se résume à cela, notre mission, notre vision et aussi le triptyque que je viens de vous expliquer. Bien sûr. Maintenant, pour répondre à votre question, avant d'y répondre, je voudrais féliciter les nouvelles autorités qui sont en place, mhm. en l'occurrence le docteur Fatou Diouf, qui est ah. notre nouveau ministre de tutelle. Qui est du secteur, hein, qui maîtrise euh, bien ce, Qui est du secteur, parce que, mhm. comme je vous l'ai si bien dit, pendant longtemps, elle a eu à s'activer auprès des pêcheurs. Mhm. Euh, elle a même écrit un livre très intéressant qui parle du droit maritime et avec euh, des solutions très intéressantes qu'on pourrait utiliser à bon escient. 哎。 si vous me le permettez, pour ma thèse doctorale, je lui avais soumis, n'est-ce pas, mes écrits. Mhm. Mais avec son nouveau poste, je ne sais pas si elle aura le temps de, ah. <laughs> s'y pencher. Vous pouvez bien euh, profiter du plateau. Hein, pour voilà. Donc j'espère euh, qu'elle. Voilà, Madame le ministre. Hein, on sait le jamais. ministre. N'oubliez pas euh, c'est ni si c'est ça. C'est ça. N'oubliez pas mon sujet de pré-thèse que je vous ai présenté. Pour la validation de, son, de sa thèse. Hein. Oui, tout à fait. Ce, ce changement de dénomination, quel message envoie euh, aux acteurs que vous êtes Il y a une connotation forte. Il y a une connotation forte. Mhm. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, surtout pour moi qui suis porteur de métier aussi, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui va administrer mhm. la gestion des nouveaux ports. Et nous avons vu que euh, il y a les ports secondaires, notamment celui de Ndayan, qui va bientôt voir le jour, mhm. celui de Saint-Louis, celui de Ziguinchor, qui existe, n'est-ce pas, pour ne citer que cela. Donc, tout cela, elle, va devoir les administrer avec les différents acteurs, les différentes parties prenantes. Mm. Et je pense que nous n'avons pas nécessairement besoin d'une autorité supra mm. pour que le travail se fasse bien. Il faudra juste le faire mm. de concertation, de manière collégiale. Et je pense que l'expertise est au Alors, entre les infrastructures maritimes et portuaires, où se situe la différence Lorsqu'on parle des infrastructures euh, maritimes, euh, c'est beaucoup plus large, c'est englobant. Parce qu'en termes d'infrastructures maritimes, vous avez aujourd'hui les plateformes pétrolières, n'est-ce pas Vous avez toutes les, euh, tous les équipements euh, qui sont mis en place pour pouvoir supporter mm. euh, les projets, les différents projets relatifs à l'économie bleue. Maintenant, pour ce qui est des infrastructures portuaires, en général, ce sont les infrastructures qui sont au niveau du port, telles que mm. les quais, mm. la capitainerie, les bâtiments mm-hmm. et autres. Ok, important. Alors aujourd'hui, euh, je pense que tous les acteurs de la pêche unanimement au Sénégal pointent du doigt ces fameux accords de pêche. Hein. Nous y sommes. Euh, quelle serait la solution aujourd'hui pour contourner voilà, ces, accords-là et retrouver toute notre souveraineté hein, dans, dans, le secteur euh, maritime Est-ce que déjà on peut se passer de ces fameuses licences de pêche Souvent on nous dit que non. Je crois que, mais il y a des alternatives pour qu'on puisse aujourd'hui quand même mieux faire face à, à nos à nos euh, partenaires euh, européens surtout et, asiatiques et protéger davantage notre secteur euh, artisanal. Comment faire Quelles seraient aujourd'hui les pistes de solutions que vous donneriez à l'État central Pour rappel, il y a une organisation aujourd'hui qui s'est réunie et qui a mm. fait, signer une charte, n'est-ce pas, à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Et dans cette charte, leur premier, le premier point, c'était de geler les licences de pêche. Mm-hmm. Est-ce que réellement geler les licences de pêche résoudrait le problème. Parce qu'il y a des conventions qui sont signées, il y a des accords qui sont signés. Je laisse euh, cette licence de pêche, ça peut amener, mhm. n'est-ce pas, à traduire les personnes, en, euh, les, certains acteurs en justice. Mhm. Donc, je pense qu'il faut réguler. Euh, on a beau octroyer des licences de pêche, c'est comme l'exemple tantôt que je donnais par rapport aux voitures qui circulent, mhm. mais il faut une régulation. Ce qui est important, c'est le nombre de mouillages de bateaux qu'il faut maîtriser quels sont les bateaux qui entrent et qui sortent Qui est destiné à faire quoi Généralement, ils battent pavillon sénégalais, mais ça, c'est pour mieux contourner en fait la législation, parce qu'on sait également comment, ils font, <laughs> vos, amis, certains d'entre eux, <laughs> voilà, du secteur maritime, pour contourner la législation et que cela ne puisse pas profiter malheureusement au Sénégal. Il faut, dire que, que le bateau batte pavillon étranger ou sénégalais, ça n'a pas une grande différence. C'est-à-dire, il est destiné à quoi on, tu peux avoir un chalutier, tu peux, euh, tu peux avoir un, euh, un, rejeté, tu peux avoir euh, un tonnier, hmm. n'est-ce pas Donc, il faut qu'il puisse respecter la quantité qui lui est octroyée, qui hmm. lui est permise, n'est-ce pas, d'exploiter. Hmm. Donc, c'est là où maintenant je reviens à, par rapport à la gestion des stocks de manière durable. Il faut que la pêche soit beaucoup plus responsable, qu'on soit regardant. Nous avons vu qu'il y a l'armée, nous avons vu aussi qu'il y a la marine nationale qui abat un travail monstre, mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce qu'ils ont mis au parfum, n'est-ce pas, euh, le comité local des artisans, euh, le comité euh, des pêcheurs, mhm. de la pêche locale. Mais pourquoi c'est insuffisant Parce qu'ils n'ont pas les moyens et encore moins les prérogatives. Mhm. Ils sont là pour alerter. Mhm. Et parfois, ça crée des conflits en termes de sécurisation. Parce que quand vous venez pêcher dans une zone et qu'on vous dit non, c'est euh, euh, zone marine euh, c'est une aire marine protégée. Donc ça peut amener parfois des conflits mhm. entre eux. Or, je pense que puisqu'ils ne sont pas assermentés, bien qu'ils y vont avec un agent assermenté mhm. du ministère, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils redoublent d'efforts dans ce sens, les autorités mhm. à qui cette mission est dévolue, afin de pouvoir mieux contrôler l'activité. Maintenant, par rapport aux licences de pêche, ce qu'il y aurait lieu de faire, c'est certainement euh, là, j'attire l'attention du ministre qui connaît très bien le sujet. C'est d'abord de faire la cartographie, d'identifier réellement combien de licences de pêche il y a, parce que les versions diffèrent. Mhm. vous diront des centaines, d'autres vous diront 100, d'autres vous diront moins. Mais que ce soit 10 licences de pêche, que ce soit 1000 licences de pêche, ce qui est important, c'est la quantité, n'est-ce pas, qui est exploitée. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de décimer euh, nos ressources halieutiques. Alors pourquoi je vous disais que la majorité de ces navires battent pavillon au Sénégal C'est parce qu'on sait, hein, ça c'est un mhm. secret de beaucoup, beaucoup de ces licences de pêche, en tout cas, sont données à des nationaux, à des Sénégalais mais qui, eux, en retour, travaillent avec des étrangers. Mm. Ce qui fait que toute leur capture va profiter plus aux étrangers qu'au Sénégal. Et ils raclent nos, fonds de mer. C'est ça le problème, en vérité, mm. également. L'un des problèmes, bien sûr. Je, bon, je ne le maîtrise pas mieux que vous, mm-hmm. mais ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Mm-hmm. si ces étrangers-là, aujourd'hui, viennent et pratiquement appauvrissent euh, notre secteur de, la pêche, c'est parce qu'ils bénéficient de la complicité de Sénégalais, comme vous et moi, des nationaux. Mm. Là aussi, comment faire la part des choses Ça va être très compliqué. Tout, tout revient aussi comme vous l'avez si bien dit, tout revient d'une part, n'est-ce pas, à l'État de pouvoir surveiller. Parce que euh, les prérogatives de sécurité, de sûreté, reviennent plus euh, aux autorités étatiques. Mm. Nous avons vu que depuis 2019, le nombre d'arraisonnements de navires augmente. Mm. Ils sont en train de contrôler les navires. Mais malheureusement, quand on regarde les statistiques, il y a un écart créé. Mm. Parce que lorsqu'on nous dit que l'an dernier, il y a eu 115 navires qui ont été arraisonnés, alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup plus qui ont mouillé dans le territoire mm. sénégalais, dans nos eaux, et que, al contrario, on, contrôle plus de 2000 pirogues, il y a un problème. Parce que ce que les pirogues peuvent emmagasiner en termes de ressources, je pense que c'est insignifiant. C'est insignifiant, tout à fait. Bon, bah, Vas-y, Ibou, moi j'allais parler, parler un aspect de repos biologique. Hmm. Est-ce qu'il ne faudrait pas vulgariser l'information, de mettre hmm. la cartographie et comme ça, de ce fait, tout le monde serait concerné. C'est ça, l'aquaculture. La hein, pêche industrielle ou bien même hmm. la pêche familiale. Parce qu'on n'en parle pas, on sait que par bon sens, il y a un moment, il faut les laisser se reposer pour se mm. reproduire les espèces. Mais on ne sait pas exactement où et comment ou comment mm. ça se passe. Mm-hmm. Est-ce que ce n'est pas la vulgarisation qui manque mm. au niveau de la masse Je puis vous dire, je puis vous rassurer que effectivement, nous avons eu à cartographier, n'est-ce pas, les aires marines qu'il faut protéger. Tout, euh, je, pour ne pas dire tout le monde, parce que ce n'est pas un langage édifiant, mais les principaux acteurs sont au courant. Mm-hmm vous savez, il y a toujours des pirates quelque part, permettez-moi l'expression. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ça le dilemme. Euh, je m'en vais vous citer un exemple. Euh, le 5 avril dernier, mhm. il y a un navire jeté le pays, ils se reconnaîtront, n'est-ce pas, qui lui qui prétendait mettre à flot, mhm. n'est-ce pas, mouiller un bateau de croisière. D'accord. Merci de le citer. <laughs> Merci de le citer. Il fallait le dénoncer. Voilà. Donc, vous voyez, vous êtes au courant. Mm-hmm. Donc, vous voyez que derrière ces bateaux de croisière, mm-hmm. mais il y a, il y a, des, activités de pêche. Mm-hmm. Et, c'est incroyable. Et en termes de capacité, c'est-à-dire euh, euh, ce que les chalutiers ont en général comme filet, eux, ils ont des filets beaucoup plus volumineux qui peuvent faire euh, en une seule opération, recueillir plus de 100 000 tonnes. Racler tout le fond de mer, là, pratiquement. Oui. en une journée. donc, racler 100 euh, 000 euh, tonnes en une journée, ça équivaut nous à la moitié de, nos débarquements de poissons durant l'année. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Incroyable. Et il faut probablement, parce que moi, j'aimerais qu'on parle également de, solutions, se tourner vers plus de moyens pour la Marine nationale parce qu'il faut contrôler, vous l'avez dit, donc pour pouvoir contrôler, mais également à la base, les communautés, les pêcheurs, à la base également, trouver des solutions pour les accompagner aussi, parce que là aussi, hmm. il y a énormément de difficultés. Mmh. Sarah, ce que vous dites, c'est très important. Hmm. L'heure actuelle, hmm. vous savez, euh, comme j'ai l'habitude de dire, l'État, c'est une continuité. Nous avons vu que la mer est décimée, la mer est agressée. Les pêcheurs n'ont plus, euh, euh, plus cette capacité, n'ont plus ce temps, même s'ils le veulent, mm. pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc ils vont faire autre chose. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'immigration clandestine ne fait qu'augmenter. La solution prépondérante, l'urgence, c'est de trouver du travail mm. à cette masse de chômeurs mm. que nous avons créée. Et ce faisant, j'en profite pour vous dire qu'il il y a une batterie de nouveaux métiers liés au domaine de la mer. Il ne suffit pas d'aller à l'université ou bien d'être agrégé. Il y a des formations diplômantes qui vous permettent aujourd'hui d'être opérationnel mhm. après trois mois. Et vous n'avez pas besoin euh, d'un cursus scolaire très avancé mhm. pour vous y prêter. Mhm. Les plateformes logistiques, qu'est-ce qu'on vous demande en général C'est d'avoir un certificat, de pouvoir y travailler, de le renouveler chaque quinquennat. Euh, aujourd'hui, une plateforme logistique en mer, lorsque nous allons commencer à exploiter le, euh, le pétrole ou le gaz, mais on aura besoin de cuisiniers. Nous aurons besoin de boulangers, nous aurons besoin de, hein. euh, de, de, temps, de temps et de temps, mm. n'est-ce pas, de métiers basiques. Donc il faut que les jeunes commencent à se former par rapport à ce nouveau type de métier mm. qui existe et ce potentiel que eh, la Mais, mais est-ce que vous êtes en train de dire quelque part que pêcheur à la base, euh, mm. comment je, peux dire ça traditionnel Est-ce qu'on va petit à petit vers la, disparition de, de, ce métier-là hein, Face à la concurrence de ces gros chalutiers-là étrangers Je pense que face à la concurrence, comme il l'a si bien dit Ils sont appelés à disparaître. Hein. Euh, euh, si nous arrivons à préserver l'écosystème, il va se régénérer, n'est-ce pas, euh, de, lui-même. Mhm. Mais aujourd'hui, cette masse critique des jeunes, il faut les occuper. Mhm. Il, nous reste une minute avant 7h30. <laughs> très, bien. Alors, comme il l'a si bien dit, il faudrait véritablement durcir la législation parce que le problème reste les gros pêcheurs hein, et on les connaît tous. Et en ce moment, malheureusement, euh, nos mers sont euh, décimées. Et puis peut-être en solution, euh, préconiser des pratiques comme la pisciculture, surtout dans la zone Wallo, dans la zone nord du pays, où il est difficile en tout cas mm. d'avoir du poisson. Il y a une agence chargée de l'aquaculture. On hein, a ah d'ailleurs l'occasion de, recevoir la directrice en plateau. ça aussi, c'est des pistes de solution. Exactement, docteur Tenning. – Et, même docteur Tenning, si vous me permettez, elle, a elle envisage aujourd'hui de créer 4000 euh, emploi à travers l'aquaculture. Ça, c'est très bien. Merci. Vous restez en plateau avec nous. Restez reste avec nous. Et puis, dans la deuxième partie, on mettra aussi, comme vous l'avez dit, l'accent sur ces activités connexes. Hein. Dieu sait qu'elles sont nombreuses hein, et qu'elles pourraient bien profiter à notre, à notre jeunesse, mais également sur le, voilà, euh, le respect du, repos biologique, comment faire pour que le repos biologique soit acté ici au Sénégal, sur tout le euh, littoral sénégalais Si mm. un pays euh, frontalier l'a réussi, la Mauritanie, pourquoi pas le Sénégal, bon Dieu Pourquoi ce fatalisme Pourquoi on se dit qu'on ne peut pas l'observer mm. Ça également, il faudra vraiment y réfléchir, et ce avec vous dans la deuxième partie. Merci. Je souris un tout petit peu, <laughs> parce que je sais que sur 18 millions que nous sommes, combien mangeront du tchéboudjéna ?– À midi, hein? <laughs> on a presque plus de 500 km un scandale national. Bon, allez, 7h35. Euh, petit extrait du clip du jour. Dans un petit moment, le bulletin d'infos de tout en images. Et puis, on parlera droit et législation dans la deuxième partie de cette émission avec Binta Charles. À tout de suite. minute yeesal si ko nañ jéem a taar ci ko yi weesoo gu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo comportement yu baax environnement bu na développement day tàmbalee ca commencement nañ jéem a taar ci ko yi weesoo gu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo ay jëf yu ndaw tabax lu mag ci sa biir xel gis we di dof bakkan ci ndox nga tuf li dox xanaa gëmoo ñuy suturloo ci géeju got mbalit bu tey bu tey yu vite nga bagee dox

confession si ko nañ jéem ci ko yit weesoogu ko géej ñoo ko moom ay njabootam ci suturloo comportement yu baax environnement bu naan développement day commencement c'est pour l'environnement les gars. Essayez de faire comme nous. On poursuit maintenant, mais Alex, avec Binta Charles, aujourd'hui, on parle tout simplement de règles de droit. Alors, euh, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre Et finalement, on entend parler de projet de loi et de proposition de loi. Qu'est-ce que c'est finalement Alors, avant d'en venir à cette question-là, nous allons d'abord camper le décor. Qu'est-ce que la règle de droit Qu'est-ce qui la euh, différencie on va dire, des autres types de règles qu'on a en société. D'abord, il faudrait comprendre que le droit, c'est une euh, notion, on va dire, polysémique avec plusieurs sens. Euh, l'on va retenir en tant qu'apprenti juriste les deux Acceptions. Euh, la première serait de, la, de le définir comme l'ensemble des règles régissant euh, la vie en société, les rapports entre les hommes avec la puissance publique. Mhm. Alors dans ce cadre-là, euh, dans ce cas-là, on parle de droit objectif ou de règles de droit objectives. Alors l'autre acception serait de le définir comme les prérogatives qu'on accorde à chacun d'entre nous, là, on est dans le droit subjectif, c'est-à-dire, toi, Sarah, tu as le droit de vendre euh, ton téléphone, ton véhicule, etc. En tant que propriétaire, tu as le droit de jouir, hein, mm. comme tu le souhaites, de ton bien immeuble, d'en faire ce que tu veux. Mm. Alors, euh, la règle de droit partage également des caractères génériques avec les autres types de, de règles c'est cette règle-là qui est euh, générale, qui est impersonnelle, euh, qui est obligatoire, tout comme la règle religieuse, euh, la, morale. cependant, ce qui la différencie des autres, en fait, cette, différence se situe à trois niveaux. Déjà, par rapport à sa finalité, la règle de droit a pour finalité tout simplement de réguler la mm. vie en société, tout simplement elle, elle borne ses ambitions en ces termes-là. Euh, l'autre euh, différence réside au niveau de ses sources. La source de la règle de droit reste euh, l'autorité publique. Quand on parle de l'autorité publique, on, fait, on pense aux trois pouvoirs existants, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et, et judiciaire, à travers notamment la jurisprudence prudence. Et également, une autre euh, différence va plutôt euh, être euh, trouvée au niveau de... Alors, comme on dirait, j'ai parlé de la source, j'ai parlé de de sa finalité, mais surtout de ses sanctions. Mm. C'est très important. Mm. La règle de droit, sa particularité, elle est, lorsqu'en en cas d'inobservation de cette règle, il est euh, impératif qu'il y ait une sanction. Alors, cette sanction est bien mmh. sûr euh, euh, assurée par l'autorité publique, l'autorité étatique, mmh. qui utilise la force publique. Mmh. Alors, les sanctions, elles sont... diffèrent selon les matières. en matière pénale, ou pénale en matière civile, on va plutôt parler d'amende, de paiement d'intérêt, etc. En matière disciplinaire, euh, comme nous, travailleurs, ça va être euh, euh, la mise à pied, la suspension, encore le, le, le, licenciement, Ça dépend si on va. Donc voilà un peu la particularité de cette règle de droit qui, s'applique à nous tous. Alors, je, le disais tout à l'heure, hein, je reprends la question. Mhm. On entend parler de projet de loi et de proposition de loi, finalement. Quelle est la différence entre, entre les deux Très bien. Alors là, on en vient un peu aux sources de la règle de droit. Euh, alors, quand on parle de mm. proposition de loi, c'est lorsque l'exécutif, c'est-à-dire soit le président de la République mm. ou le gouvernement, tout simplement, propose une loi, amène une loi à l'Assemblée nationale. Donc, proposition de loi. Proposition de loi. Mm. Dès, à chaque fois qu'il s'agit de l'exécutif, si l'exécutif est à l'initiative d'une quelconque loi, on parle de proposition de loi. Par contre, si c'est l'Assemblée nationale... Donc, la loi sur l'amnistie, par exemple, c'était une proposition, de loi. tout simplement. Mm. Et si l'initiative de la loi émane de l'Assemblée nationale, un hein, ou de plusieurs députés. Là, on parle de projet de loi. Très bien. Juste mm. ça. C'est clair. la différence, est... nette. alors, quand est-ce qu'une loi devient finalement euh, opposable aux citoyens voilà, question très intéressante, puisque la loi euh, traverse euh, plusieurs... voilà, il y a plusieurs étapes, en fait. Il faudrait non seulement qu'on l'adopte au niveau de l'Assemblée nationale, mm. mais pour qu'elle soit applicable, il faudrait que le président de la République promulgue cette loi, mm. qu'il prenne acte de l'existence de cette loi, et il faudrait également qu'il la publie euh, au niveau euh, du journal officiel du Sénégal. Là, la loi deviendra opposable, et tout d'où le sens euh, de, l'expression nul n'est censé ignorer la, loi. Aussi utopique que, que cela, puisse être. Parce que en réalité, même si on ignore... Hein. Voilà. Hein mes parents qui sont dans, le djolof euh, <laughs> profondeur, ou bien dans le ça ou bien dans le Fouta, vous leur dites cela, ah, comme si en fait euh, ils sont sur le table de chevet. Ah, voilà le, code pénal ou bien c'est quoi moi. Non, le, le, hein journal ah, finalement officiel, parce que hein. euh, chaque fois qu'une loi est adoptée à l'Assemblée nationale, tu l'as rappelé et tout même à l'heure, le chef de l'État doit promulguer cette loi et la publier. Combien de personnes lisent le journal officiel Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est des questions. revoir cela. L'une des subtilités du droit. Hein. Nul censé ignorer, la, loi. il <laughs> vous question. J'interpelle sur la morale et la religion. Est-ce que cette règle de droit exclut de manière absolue mhm. ces deux principes de vie Alors, pas totalement, puisqu'on mhm. va voir euh, dans une certaine mesure euh, les lois prennent en compte la, religion. C'est comme le mariage. Lorsque le mariage il est euh, célébré, euh, il faudrait, par exemple, l'acte qui a été produit par l'imam en tant que tel, ou si c'est l'Église ou autre, la loi considère cet acte-là pour ensuite en faire euh, voilà, une base pour le certificat de mariage, etc. Donc on ne peut pas dire sont, que la loi soit voilà, en contradiction, de manière absolue en tout, cas. Cette séparation n'est pas faite de manière euh, absolue. Voilà. Mmh. Donc c'est vrai, c'est pourquoi même euh, pour les extraits de naissance et autres, parce qu'on sait que la difficulté s'est posée dans plusieurs localités, il y a des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance mhm. malheureusement, certains ont suggéré puisque le, le toudou, ou le baptême, ou euh, hmm. comment on dit, euh, le ngente, c'est quelque chose, ah. finalement, euh, dans nos traditions et dans nos cultures, on a hmm. suggéré que huit jours après la naissance du bébé, si hmm. la maman n'a pas déclaré l'enfant à l'hôpital à la naissance, que l'imam ou l'autorité religieuse puisse lui donner un papier permettant évidemment à la mairie ensuite de pouvoir entamer la procédure. et ça, c'est des succession, le droit sénégalais, le code de, la famille prend en compte véritablement voilà, le droit musulman, on va dire. C'est ça, ça c'est c'est des, possibilités. Allez, une question alors, je, sais qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées, promulguées, mhm. publiées dans le journal officiel et mhm. qu'on n'applique plus. Hein, mhm. qui sont pratiquement tombées dans, l'oubli. Tout à fait. Quand est-ce qu'une loi n'est plus applicable Alors, une loi n'est plus euh, euh, applicable, n'est plus applicable, pardon, lorsqu'elle qu'elle a été abrogée, on va dire, de manière euh, soit tacite ou expresse. Alors, de manière expresse, c'est lorsqu'on vote une nouvelle loi qui vient anéantir, qui vient dire expressément mm. euh, que la loi sur euh, l'adoption, etc., n'est plus ah applicable sur le territoire national. Ça, c'est de manière euh, exprès, De manière tacite, lorsque l'on vote une loi qui vient euh, contredire hein, euh, la loi précédente. Donc c'est une manière de dire euh, que celle-ci n'existe plus. Mhm. Et il y a également ce qu'on appelle l'abrogation par désiétude. Alors mhm. une loi tombe en désiétude lorsqu'on mhm. lorsque qu'on ne l'applique plus. Voilà, il y a des lois qui sont restées 30 ans ou 40 ans sans être appliquées. Nos parents nous parlent souvent du gouvernement Dia. À l'époque, il paraît pour les cérémonies familiales, il, était interdit de déposer dépenser une certaine euh, voilà, somme d'argent. Après, euh, je ne sais pas, euh, la loi ne me semble pas être abrogée de manière tacite ou expresse, mais voilà. Là... On peut dire qu'elle est entrée en désuétude, quoi. En, en désuétude, tout simplement. La réactiver, la ah. dépoussiérer. Là, c'est des millions qu'on dépense. On pourrait de temps en temps en dépoussiérer ah, oui, je pense. la fameuse corruption de la jeunesse. <laughs> Et même la loi sur la CRI, hein, qui est restée une trentaine d'années. non, bouge j'allais juste dire ton sujet de ce matin sur les véhicules euh, justement euh, à importer ici au, Sénégal. Au début, c'était 5 ans, c'est ça Maintenant, on, est passé à 8 ans. Donc, euh, mm. finalement, un exemple, quand tu parlais de non-application de la loi mm-hmm. par, comment tu as dit euh, les sanctions ou bien Non, non, non, justement parce qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée. Donc, Ah euh, d'accord, oui, voilà, de, manière tacite, s'il y a une nouvelle loi de qui manière vient tacite, contredire l'autre, euh, voilà, il y a abrogation de manière tacite. Donc on retient express tacite et par des études. Allez, on a trois minutes avant la fin de cette émission. Merci beaucoup, ma chère Binta Charles. Je pense que je vais venir avec un stylo les mercredis parce qu'il faut prendre note pour ne pas oublier. C'est important et c'est l'objectif. On réinterroge notre invité de ce matin. On lui accorde les trois dernières minutes. À Sissoko. Exactement. La, loi, elle nous poursuit hein, de, la, naissance à, notre euh, disparition. Hein. Ah oui, L'acte de naissance, c'est un acte juridique. L'acte de décès mm-hmm. également. L'acte de décès euh, en La succession, c'est vraiment un début euh, à la fin. Une chronique assez transversale et qui mm-hmm. pourrait même, et qui intéresse d'ailleurs. Oui, euh, parce que vous êtes même en... par exemple, sur l'observance euh, voilà, de, du repos biologique. Quelles seraient aujourd'hui les pistes de solutions en fait, que vous pourriez peut-être nous voilà, donner pour qu'on puisse l'observer enfin voilà, réellement sur le, euh, ici au Sénégal, dans notre, sur notre façade maritime. En, deux minutes, s'il vous plaît. Mm. D'accord. Je m'en vais déjà féliciter le travail qu'a va la direction du service euh, maritime et des pêches, n'est-ce pas Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de zones euh, qui sont protégées d'air maritime. Mais il s'agit de, petites surfaces, là. Hein. mais quand même, il y a de, grandes... repos biologique. Hein, il y a de grandes surfaces. plus il y a de grandes surfaces, effectivement, ah. mais principalement concentrées mhm. au niveau des plus grands sites de débarquement de poissons. Par exemple, à Kayar, à mhm. Fatik, de mhm. deux à les plus grands. Euh, nous à en avons à Joal Fadjoud. Même à Dakar, nous en avons, n'est-ce pas Donc, euh, mais l'idée aujourd'hui, c'est que au-delà de préserver, n'est-ce pas, ces zones pendant une certaine période, avant de les rouvrir à l'activité même de la pêche, il est important de savoir qu'est-ce qu'on fait durant Il y a un travail qui s'abat mhm. et qui est vraiment caché, qui est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, durant on favorise la reproduction des espèces. Euh, quand vous allez du côté de la petite côte, on achète beaucoup de canaries, n'est-ce pas Ils sont financés par des ONG et autres. Mhm. Ils achètent beaucoup de canaries pour les reproductions des poulpes, par exemple. Mhm. Les poulpes, c'est l'équivalent des pieuvres. Au niveau de Dakar euh, et sur le long du littoral, vous voyez que nous avons des DCP, les DCP, c'est les dispositifs de concentration de poissons. À l'origine, euh, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc ils prenaient juste un radeau avec des objets flottants et qu'ils plongeaient dans l'eau. Mais aujourd'hui, euh, ça s'est amélioré. On construit comme des gens de bacs en ciment avec euh, du, fer et on le, on le plonge dans l'eau et ça permet aux poissons de se reproduire. Mhm. Merci beaucoup. Le mot de la fin Le mot de la fin, c'est que je lance un appel à toutes les parties prenantes de pouvoir respecter les règles qui sont mises en vigueur, mm-hmm. surtout par rapport à nos partenaires de l'étranger, mm-hmm. les investisseurs, et aussi, euh, comment j'allais le dire, euh, les conventions qui ont été signées, mm-hmm. les accords qui ont été signés, qu'ils soient respectés, qu'ils soient revus à la baisse surtout, et qu'il y ait plus de contrôle. Euh, notre structure art, sous nos nos IT, existe depuis près de 8 ans. Et aujourd'hui, nous avons un programme sur les 700 km de côte. C'est de discuter avec l'ensemble des comités qui sont en place pour pouvoir les sensibiliser au nouveau type de métier, les sensibiliser par rapport surtout au fait qu'il y a un reboisement que l'État a décrété à travers une loi comme quoi qu'on ne peut plus utiliser les pirogues en bois donc aujourd'hui, on mugue vers les pirogues en fibre de, verre. et il faut que par rapport à cela, que le ministère nous soutienne parce que euh, on a, euh, euh, les pêcheurs sont peu dotés dans Qui ce se aussi, les pêcheurs. Il y a beaucoup de Merci qui sont noter chez leur, de leur côté. <laughs> Pour, diverses raisons. On n'a plus le temps de, rouvrir le débat sur ce <laughs> sujet. Merci d'être passé sur ce plateau, c'est Nissi Je rappelle que vous êtes doctorant en droit maritime. Et lorsque vous l'aurez, le doctorat, vous revenez sur le plateau d'accord Secrétaire général de Arts Sounouguet Et merci beaucoup, ma chère Binta Charles. Voilà. À à mercredi prochain et un merci au professeur Thomas Diatta. Merci mon cher Youb. Merci. À mercredi ou on se revoit dans la semaine, qui sait. Merci à merci de nous avoir regardé ce matin. On n'a pas pu parler du PSG et du Barça, hein, le PSG Demain, on ramène le sujet parce que le coach Tandarra sera avec nous. Excellente journée sur les antennes de la Une. Et merci encore de nous avoir regardé. À demain. Au revoir. find my way. The Lord, Lord, need to stand up. Get the better warning, which makes me know where we belong.